d'être 11h à et partout au Niger. fidèle auditrice et auditeur des programmes du studio Kalangou, bonjour à vous et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou de ce mardi 9 avril 2024. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Barka de Salah Wakeyesi. Au micro, c'est Ali Moukila Ouseni alias Sino. Et ce matin, je suis accompagné de Salamatou Kadri. La technique est assurée par Issa Lawali. Et à l'édition, nous avons la grande dame Adama Adawaki. Bonjour Salamatou, bonne fête à toi. Bonjour Sino, bonne fête à toi aussi. Alors, qu'avons-nous au menu ce matin Eh bien, dans ce numéro spécial Fête de Ramadan de Niger sur Kalangou d'aujourd'hui, Salamatou, nous allons faire le tour euh, de l'actualité avec le flash d'information pour commencer, puis une bonne dose de musique 100% nigérienne. Du sport également avec euh, notre chroniqueur et la culture linguistique sera également servie. Toujours dans ce menu, c'est nous. Nous recevons comme invité du jour l'artiste Ben Karim Isaka, plus connu sous le sobriquet de Mr. Ben, artiste rappeur nigérien. Avec lui, nous parlerons carrière musicale. La rubrique Écho de régions nous conduira ce matin à Difa pour parler de l'utilisation de l'encens. Et eh oui, Salamatou, ce n'est pas tout. À l'occasion de cette fête de Ramadan, nous ferons également le tour de quelques localités du Niger avec nos correspondants pour nous enquérir de comment se passe la fête dans ces localités. Nous terminerons avec les messages vocaux de nos auditeurs. Alors, chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour toute une heure de divertissement et d'infos. Sans trop tarder, je vous propose de suivre le flash d'information avec Tarnan Foudé Ahmed. Bonjour Tarnan. Bonjour Seno, bonjour Salamatou. Bonjour, et surtout, bonne fête à vous. Merci. Je vois que vous êtes bien habillés. Ah ouais. J'espère que ce ne sont pas vos avis de fête. <laughs> voilà. Le flash, euh, aujourd'hui, 9 euh, avril 2024, euh, jour de fête de l'Aïd el-Fitr sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, hier, le Premier ministre Lamine Zen Ali Mahaman a adressé un message au peuple nigérien. Dans son message, le Premier ministre a d'abord indiqué, je cite, Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et le gouvernement ont noté cette année les conditions difficiles dans lesquelles nos concitoyens ont observé les jeunes du mois des Ramadan notamment les températures particulièrement élevées au mois de mars dernier, le coût relativement élevé de nombreux produits alimentaires ou produits de première nécessité. À Difa, le gouverneur de la région général des brigades, Mahamadou Ibrahim Bagdoma, a convoqué hier euh, le Conseil de sécurité régional. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour. Les membres euh, du Conseil de sécurité ont discuté sur la sécurisation des festivités de l'aide al-Fitr actuellement en cours dans la région la sécurisation des aménagements hydro-agricoles et la sécurisation des axes euh, routiers de la région. Sur les plans international, euh, nous parlons également des situations militaires au Burkina Faso où hier euh, le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a remis un important lot aux vecteurs aériens, ont rapporté nos confrères de l'Omega Media. Ce matériel de combat est composé essentiellement d'une douzaine de drones. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci beaucoup Tarnan pour toutes ces informations. Merci infiniment Tarnan. Comme annoncé en début de mission, chers auditeurs, nous allons faire le tour des quelques localités via nos correspondants pour découvrir comment se déroule euh, la fête, bien évidemment, dans ces localités. notre correspondant d'Arlit Gungu Mahmoud Dantani est en ligne. Bonjour Gungu. Bonjour. Alors Gungu, vous allez bien Oui, je vais bien et vous Ça va très bien, Alhamdoulilah. Bien fêté Ça va très bien, fêté, Alhamdoulilah. Thomas Dalla. Alors, euh, Gungu, dites-nous, comment se passe la fête de l'autre côté d'Arlit Oui, effectivement, Arlit, euh, dans le nord du pays, toute la Ouma islamique a fêté la fête de El Tigre comme il se doit. Donc, euh, toute la communauté habillée dans des beaux habits s'est dirigée vers la grande euh, mosquée de prière à Arlit où euh, la fête a eu lieu. Après donc la houdouba du l'imam de la ville, la communauté musulmane s'est entretenue entre elles pour faire les salutations d'usage pour la fête. Alors, euh, ici, particulièrement, ce qui a beaucoup marqué les choses, c'est qu'en fait, les migrants de confession musulmane qui sont à Arlit ont aussi participé à cette prière à la grande mosquée d'Arlit. D'ailleurs, j'ai eu à échanger un peu avec quelques-uns qui m'ont dit que malgré l'inquiétude qu'ils ont et les difficultés qu'ils traversent, tout de même, euh, ils sont venus aussi euh, donc fêter la fête de l'Aïd el-Fitr. Alors euh, vraiment, c'est vrai, à Arlit, euh, cette année, la fête euh, est arrivée dans un contexte de majorité économique, parce que vu la situation, comme vous le savez, Néanmoins, les gens, quand même, quelques-uns se sont habillés avec de beaux habits, de nouveaux habits, et les autres ont lavé les habits qu'ils ont et ils ont fêté. Ah là, c'est bien. Voilà, merci beaucoup Gungu. Bonne fête à toi et à tous nos auditeurs depuis Arlit. Et voilà, on va écouter de la musique hein, en attendant le prochain qu'on va prendre incessamment. Voilà, chers auditeurs, avant l'arrivée de notre invité, sinon on va aller à Difa. Ouais. Notre correspondant Gidi est en ligne. Bonjour Gidi. Oui, bonjour. Ça va bien Oui, ça va très bien. Alors, bien fêté oui, tout va bien, Alhamdulillah. Alors, dites-nous, comment ça se passe de l'autre côté de Difa Est-ce que euh, l'ambiance l'ambiance est électrique là-bas Ouais, bon, vous savez, euh, comme a dit ça, depuis plus de 10 ans, mhm. euh, avec l'insécurité, on n'arrive pas à manifester vraiment euh, comme on les. souhaite comme vous le souhaitez. d'habitude, donc, comme on le souhaite, oui, oui. Mhm. Donc, raison pour laquelle, mais ils sont là, les jeunes, les filles, et les, surtout les enfants, ils qui sont en train de manifester leur joie. Sinon, il n'y a pas d'ambiance. Ah, ok. Il n'y a, pas d'ambiance comme euh, on le souhaite. Hein. D'accord. Et Guidi, on sait très bien qu'il il y a pas mal euh, de, de, réfugiés qui ont quitté le Nigeria pour euh, s'installer là-bas à Difa. Comment ça se passe Est-ce qu'ils ont pris part également à la fête Est-ce qu'ils fêtent avec vous Effectivement, ils sont en train de fêter avec nous. Et ils sont là, vous savez, comme ils sont habitués avec euh, nous qui sommes des, ici des, Nigériens. Mhm. Donc, euh, ils sont là, ils acceptent euh, nos cultures, ils acceptent nos, nos, célébrations. On fait tout ensemble ici. Ils se sont bien intégrés alors. Ah? Ils se sont bien intégrés. Oui, ils sont bien intégrés. On fait tout ensemble. Ils sont là. On est en train de passer dans maison à maison. Hein. Ils sont en train de saluer des gens. Waouh. Voilà Guidi, merci beaucoup. Bonne fête à vous et à tous nos auditeurs de l'autre côté du manga. Effectivement, on va merci continuer. à vous tous. Merci infiniment Guidi. On continue en musique euh, en attendant le prochain correspondant. Chers auditeurs, toujours à Difa, sinon on reste à Difa. Effectivement, mais cette fois-ci, plus précisément à Ingingimi avec notre correspondant Mena Abdoulaye. Mena Abdoulaye. Bonjour. Allô Ah, hein? sûrement un problème de réseau, je crois bien. <laughs> Ouais, je pense. Ah voilà, il est de retour. Euh, <laughs> bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Mena. Oui, bonjour, da fata to To salamatu nan da ya kai babu wani matsala duk da cewa jihar difa jiha ce dai da ke fama da matsala ta rishin tsaro kuma hakan bai hana ba al'umma ta gime da kuma eh, dukkanin sauran baki da suke a nan musamman 'yan gudun hijira da 'yan gari kasancewa a masallatai na idi daban-daban da ke a nan garin gegime musamman ma yara za ki gani sun dan samu damar hutowa mai dai har ila yanzu akwai gaskiya da kila ba su ma eh, aje azumin ba da dai sauransu a ran gegime din. Ah, ok to yanzu kakane eske akwai wani al'adu da ana, ana yi kullum eske cette année aussi est-ce que ça continue y a-t-il euh, euh, je sais pas quelques particularités contrairement à la fête de l'année passée eh gaskiya sai babu wani canji da aka samu a shekarun baya zaka ga dai kamar yadda aka saba yi ne hutowa din nan dai da sauran abubuwa zaka ga mutane sukan shiga gidan makwabta ana barka barka Allah maimaita mana za ku gani ana dafa abinci a tsaye a yi abubuwa dai da dama wanda dai aka saba yi din gaskiya babu abin da ya rage sai dai kila hmm. fitowar mutane musamman ga abin da ya faru na lokutan baya na harkan Eh, a harin da 'yan boko haram nan suka kawo sanin cewar kusan masallacin idin da ake sallah din ne mm. wannan abu ya faru mutane sun ɗan yi shakkun hutowa sosai din. Mm. Vala merci beaucoup maina muna gaida kowa da kowa kuma muna suwelten su barka da sallah. Merci salamu. Voilà, muna musu barka da sallah. On continue music c'est nous. na ce ma bintu zo sai ta ce ai suwa ni hausa ai suwa ni kala zara masanu wayo ni kaina wai in na ce ma bintu zo sai ta ce ai suwa ni hausa ai suwa ni kala zara masanu wayo ni kaina samun masoyi lalle akwai shi wuya an da kunji yanda na na samu bakwa kiyaba. na sokiya sosai mai hankali da lura Allah ya haɗa mu da bintu mu so junanmu in na ce ma bintu zo sai ta ce ai suwa ni hausa ai suwa ni hausa halatar masar biyu wayo ta wai in na ce ma bintu zo sai ta ce ai suwa ni hausa ai suwa ni na ce mabintu zo sai ta ce ai ni ausa ai suwa ni ausa kalazar masanniyo wayo ni kaina wai in ce mabintu zo sai ta ce ai ni ausa I ai suwani au sakala zara masaniyo wayoni kaina Et eh oui, chers auditeurs, euh, spécial euh, fête de Ramadan, c'est ça, ça se passe comme ça sur euh, nos radios partenaires du studio Kalangu. Notre invité, il est là, mais on va le prendre dans quelques instants parce que nous sommes actuellement en train de faire le tour des différentes localités avec nos correspondants, n'est-ce pas, Salamatou Et eh oui, c'est nous, cette fois-ci, on va aller à Tilabiria. Notre correspondant Hassimi est allé. Hassimi Kanbani, ban so de mataran do wallahi tilberi ganda jigaro a te matukan cinno a da zamsu su su bodai e jingar yan bata na kan borai donu ga jingar wata kulu kan ga ci kwara borai da kwara wana jin fulai na kyarku bai nodin jingar na kan jingar kyar banda jingaro banda in ware hankan ga ci lakalkanin amma kaga ton tenir ti an kanga ti tilberi gendara hmm. wodi ni bandano halka sun ni cer sambu ga ko an kanga ti tilberi kwara wana gin sunaido gi ya yadi mono dai e kwarara matkan no da bore ne ame jingar hukuna charbande nono bore go jingar ato abori dai no hasumi irga tilber bora menda menda kayesi zaron bori aha notre tour après Tilaberi. On va où on va, on va aller à. Allô voilà, on va aller à Tawa, cher auditeur. Euh, notre correspondant est déjà en ligne. Allô Adamu Idrissa est en ligne. Adamu, ina kwananku. A cikin hudubobin da magabata suka gabatar kama daga mai martaba sarkin tawa da mai girma gwamnan jihar tawa da sauran makarbai duk ilahirin su dai sun isa da barka da sallah tare da kuma jan hankalin jama'a musamman matasa na farko na a tsaya a nuna kishin ƙasa a yi ƙasa addu'o'i sannan kuma bangaren matasan kamar ganin na faɗa an ja su ne saboda yawanci a wayannan ranakun ne dai wa'insu matasan na farko kan fata azumin su na biyu kuma sukan amfani da ababen hawa kama daga motuna da sauran nasu na wa'insu guje-guje sun basu su kansu ba su kai ga hallaka wa'yansu haka zalika akwai kuma jan hankali na amfani da fetar wanda ya zan shi ma matasa suna nan sun tsagi da shi amma an samu wa'yansu misalai da tashin gobara a cikin lokacin azumi a waɗansu wurare daban-daban to wannan duka an samu ana ɗan jan hankalin mutane ne saboda uwaye su fahimci abin nufi su fahimci abin nufi kuma su dinga jan hankalin 'ya'yan nasu to kun a halin yanzu dai cikin yanayin da ake ciki dangance da sallar da ke gudana a nan cikin garin tawa kuma ana nan ga yin ta wayanda ke da sauran wasanni daban-daban duk lahirin su sun keɓe wuraren da su shina haɗuwa da jama'ar tasu don saboda su samu su gabatar da wayannan shagulgulan salloli sai dai idan ka dibi fuskokin mutane to wa'yansu su yi ta a cikin nishaɗi wa'ansu kuma har yanzu saboda yanayin ƙasa da ake ciki na rashin kuɗi dai sun samu dai gwargwadon hali dan abin da Allah ya rage ruwa musu asiri su yi amfani da shi wajen gabatar da wannan sallah yanzu haka dai annan cikin garin sa cikin halin da baki ciki kenan yanzu Voilà, merci beaucoup Adamou Idrissa. Sinon, on continue notre tour, mais cette fois-ci, on va aller à Maradi. shade ga wata ta wata gori ba ta da kiran mata kwame ta tuntu ba zai faɗi kwame ta tuntu ba zai faɗi dan ba kore ne ba buzu da rakumi buzu ne buzu da rakumi buzu correspondant de Maradi, Issouf Chebou, est en ligne. Bonjour Issoufou. Allô un petit souci hein, avec le réseau, cher auditeur. On poursuit toujours euh, cette euh, euh, émission spéciale fête de Ramadan. Ça se passe sur le studio. Allô Il est de retour. Allô Allô Aïe aïe aïe. Un souci, toujours avec le réseau. C'est pas grave. On va écouter de la musique en attendant que le réseau puisse se rétablir. Allô Oui, allô Bonjour Issoufou. Bonjour. Allô, comment ça se passe de l'autre côté de Maradi Donc, au niveau de Meï, la fête de Ramadan bat son plein ici à Meï. Allô, oui, je vous écoute. oui, on te reçoit 5 sur 5. <laughs> Ok. Alors, euh, tu disais tantôt que la fête se passe merveilleusement de l'autre côté de Mayaï, n'est-ce pas? Oui, la fête de Ramadan ici à Mayaï va s'en plein. Ok. Donc, elle a commencé par les prières de Idi, où toute la population s'est convergée pour accomplir les deux rakats. Ok. Ah. Allô? Allô, oui. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, la ligne, hein, c'est pas grave. On t'écoute. Ça va? tu nous reçois? Oui, je vous écoute. Super. Alors, euh, dites-nous, quelle est l'ambiance qui règne actuellement de l'autre côté de Mayaï Donc, comme je le disais, donc, la fête a commencé par la prière de Idi. Hmm. Ok. Oui, je vous écoute. Oui, oui, oui, vas-y, vas-y. <laughs> Continue. Décris-nous un peu comment ça se passe de l'autre côté de Mayaï. Donc, elle a commencé par la prière de Idi, où la population s'est convergée pour accomplir les deux racades. D'accord. En présence des autorités administratives et coutumières. Hmm. Alors, est-ce que euh, actuellement les enfants sont dans la rue parce que d'habitude quand il y a la fête de la Ramadan, c'est bien évidemment les, les, visites chez les parents, les barcades ça là ici par là. Ça se passe comment Explique-nous un peu. Donc après la prière, on a imploré le bon Dieu pour qu'il y ait la paix ici au Niger et une bonne campagne agricole. Hmm. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Un coucou à tous nos auditeurs qui nous écoutent de l'autre côté de Mayaï. ba dango shi kashe ku. Kan ba dango shi kashe le Damagaram pour écouter, pour savoir comment ça se passe de l'autre côté aussi. Notre correspondant est à ligne, Moustapha Mamansani. Bonjour Moustapha. Oui, bonjour. C'est comment, ça va bien Oui, ça va, merci, Ça va très bien, Alhamdulillah. Bien fêté Ah, ça va, j'ai bien fêté. Super, alors comment ça se passe de l'autre côté Explique-nous un peu. La fête. Bon, ici à Zender, euh, l'ambiance est bonne enfant. La ville est vraiment très animée à la circulation qui est intense. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui sont vêtus de leurs plus beaux habits, comme, euh, comme recommandé d'ailleurs par euh, la religion, qui va aux visites cordiales, appelées ici communément Barka de Salah. Hmm. Et voilà, donc on peut voir aussi ça et là certains porter des mets. Mhm. pour euh, amener aux parents parce que c'est aussi un moment de partage. Hmm. Voilà. Maintenant, la particularité pour euh, cette année ici à Zender, vraiment le temps est, est, propice, hein. il, est, clément, ça permet aux uns aux autres de vaquer vraiment à leur euh, euh, préoccupation dans la sérénité. Machallah, ça veut dire que la température n'est pas tellement élevée de l'autre côté La température, le soleil même est apparu juste à 10h et quelques. Depuis le matin, on était dans le beau temps. Hein. Super. Ah <laughs> Mais quand on dit, quand on dit euh, Damagaram, on dit Zander, on parle souvent de problèmes d'eau. Est-ce que ce problème d'eau est en train d'impacter la fête de l'autre ah, côté Le problème d'eau, il, persiste, il existe. Hein. nous, on est on est, en train de subir un programme de délestage. Hmm. On, a on a de l'eau un jour sur deux. Wow. Oh euh, au début, là, avant d'initier ce délestage là on a vraiment beaucoup de problèmes. Hein. Hmm. merci infiniment. Voilà, merci beaucoup, Moustapha. bonne fête à tous ceux qui sont de l'autre côté de Damagaram, Guida. Bonne fête à vous. Merci. Damagaram City. sambanza sanniyo yo wayo ni kaina wai in na ce ma bintu sosai ta ce ai suwa ni ausa ai suwa ni ausa kala zara sanniyo wayo ni kaina oui, chers auditeurs, euh, à l'instant, c'était bien l'artiste Sani Aboussa. Vous l'avez compris, cher auditeur, on a fait également le tour des différentes localités pour découvrir comment se passe la fête dans ces différentes localités. Cette fois-ci, on va revenir euh, au studio avec notre invité, n'est-ce pas, Salamatou Oui, c'est nous, comme annoncé tantôt, nous recevons Ben Karim Isaka, artiste rappeur. Ben, bonjour. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Avec vous, nous parlerons de votre carrière musicale. Exactement, mais avant de donner la parole à notre invité, cher auditeur, écoutons l'un de ses titres. Voici Kuka Zaki. On écoute. Mr. De cette so I got aikata nafara weminene kuketa kadara rena ilankabata seka kama gashashanama imbakarena tundabana tensa na kukan musa musu kukan zaki sun watse kamo su ina za su to kilgisa gindi in ko dan zariya bai kama ka ba ko kalle ka sakandi in gani ko dan zariya bai kama ka ba ko kalle ka sakandi in gani ko dan zariya bai kama ka ba ko kalle ka sakandi in gani ko dan zariya bai kama ka ba kuna ta waka ku cika kiɗa magana kashe kowa baya cinku rap ba hauka bace ba ba hauka bace ba doke mi suke da girma jama'a san su baka na ka girma ka girma yanga suke sai yangal banza ƙarya suke sai ƙaryar banza mun san asalin kowa kullun sai karya banza ku fito ku taho mu buga zan so ne ku zama gwaza kana so ba ka so yaro in ka gani sai ka ce in so sabida gudun dama abokina ka bari musu danni ni ne dilan waka kashe a hankali in baka kana da girman kai da saboda shi baka ci gaba baka ci gaba saboda shi baka ci gaba to kilge sakindi in gane yeah Mr. Ben ko dan zariya bai kama ka ba to kilge sakindi in gane ko dan zariya bai kama ka ba et oui, voilà, chers auditeurs, vous l'aurez compris, l'artiste Ben au micro, c'était là le titre Kukazaki. Alors, monsieur Ben, rebonjour. Bonjour, frère. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de nos échanges, parle-nous un peu de ce titre. Pourquoi Kukanzaki Ouais, qui c'est un morceau et les gens parlé comme c'est un peu carrément, carrément difficile et différent de mon style de musique. Et je suis chanteur, je chante tout le temps, tout le temps, je chante. Mhm. Et là, euh, c'est un nouveau style que j'ai pris. Euh, je rappe et je fais un nouveau style de, de, de la trappe. Et, qu'est-ce qui t'a poussé à, à, à, à, changer de style Bon, ce qui m'a poussé vraiment à changer de style, c'est une façon de surprendre les gens euh, pour leur faire prouver que Mr. Ben ne sait pas seulement chanter. Il peut faire tout alors. Il, peut, rapper. faire tout, <laughs> il peut aussi rapper. Hmm. Il, peut, il peut aussi rapper. Il peut faire beaucoup de styles de musique. Ok. Voilà, Mr. Ben, pouvez-vous nous parler de vos débuts dans le monde de la musique et ce qui vous a inspiré à devenir rappeur Bon, les débuts vraiment. Euh, c'était comme par magie hein. je je, m'attendais pas aussi j'étais rentré dedans euh, j'étais rentré dans la marmite sans le savoir en fait tu vois <laughs> et, là je suis là dans la musique euh, vraiment j'écoutais vraiment beaucoup de la musique avant j'écoutais beaucoup de la musique et je me suis dit un jour pourquoi ne pas essayer de créer mes propres mots, de créer mes propres chansons mm. et d'écrire quelque chose, voir ce que ça va donner. Mm. Et là, j'ai écrit euh, l'un des premiers titres, Chigaba. Euh, voilà. Chigaba. C'était en quelle année C'était en 2014, 13, 14. quoi. Dans ce cas, vous vous, êtes levé, bim, un beau jour, et vous êtes rentré dans la musique. Je suis rentré dans la musique. Waouh! <laughs> Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que vous écoutez énormément de musique. Quel est votre chanteur préféré vous vous inspirez de quel artiste en tout cas, moi, j'écoute tout, tout genre de musique. Hein. Euh, Traduit, moderne. Traduit, moderne, euh, tout genre de musique qui peut m'apporter quelque chose et mhm. qui peut m'apporter surtout. Euh, un plus. Un plus, non seulement un plus, mais il y a aussi une identité que je kiffe trop. Et l'identité de ma culture, de, ah, de, chez moi, au fait, tu vois. c'est pourquoi j'écoute, parfois quand j'écoute, peut-être un certain... Euh, celui qui a fait ma Suzanne là, euh, Sani. Sani. Sani. Mm, ouais, Sani. Sani. Et de passage, je lui fais un big up. Euh, déjà, j'ai déjà commencé à, à jouer le gourmi. Ok, le gourmi. Ouais, Ah, ok, Maman Sani Ademoulmoula ouais il fabrique cet instrument de musique. Effectivement, oui. Alors, du début de votre carrière à aujourd'hui, combien de chansons avez-vous produit j'ai produit une vingtaine, je pense bien. Quoi euh, j'ai produit une vingtaine. Tout un album Tout un album. <laughs> c'est déjà sorti C'est disponible Ouais, c'est déjà sorti. J'ai sorti récemment un album. Euh, c'était en 2000. 2022. Ok. le 26 juillet 2022 euh, hmm. passé, j'ai sorti un album. Alors, quels sont les principaux thèmes que vous explorez dans votre chanson et quel message souhaitez-vous euh, transmettre à, votre public En tout cas, les, principaux thèmes, c'est. Et surtout, surtout, je chante, je chante euh, beaucoup l'amour, je chante beaucoup la paix. Ah <laughs> ouais. Ça se voit. <laughs> les mots-clés, l'amour, la, paix. ouais. Ça se voit. Tu, euh, vous avez un air vraiment hein, calme. Posé, le mot c'est posé. <laughs> ça se voit tout de suite. Alors, euh, Salamatou, tu continues Oui, euh, quel avez-vous rencontré en tant qu'artiste rappeur et comment les avez-vous surmontés Bon, j'ai vraiment rencontré pas mal de défis. Euh, mais je, j'ai, je, je resté, j'étais resté, je restais toujours moi-même mm. et, j'essaie d'affronter ces défis-là et, et, atteindre mes objectifs. Un exemple de défi que vous avez euh, surmonté <laughs> euh, c'est, un concours de musique. Ok. que j'ai, été, deuxième. J'étais mm. deuxième. Mm. j'ai reçu un prix. C'était. Euh, et jusque-là. Et, quand je pense à, ce concours, j'ai cette joie au, cœur. Parce qu'il y avait tout le monde. Il y avait mes oncles, il y avait tout le monde. Il n'y avait, il y avait juste pas les parents et tout. Hmm. Il y avait tout le monde. Il y avait mon école, les, les, directeurs de mon école et tout ça. C'était devant eux. J'ai remporté ce prix là Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et tout le monde a aimé. quoi. Super. Voilà, avant de poursuivre nos échanges, Ben, marquons une pause pour écouter un deuxième titre des chansons de notre invité. Voici le titre Fulata. Fulata Nati. Voilà. <laughs> Mr. akwai ta da ni Bangale ta ba akwai ta da ladabi ni Bangale ta ba akwai ta da ni Bangale ta ba mace ce ai son kowa a fura tana ce a fura tana ce a ni kere kan takiyo tabani 謝に蹴り勝った気をたまにののさにあ Afulatanache, afulatanache, afulatanache Nikeri kantakiho tabani uranasha Nikeri kantakiho tabani nonosalia Senazo baotashawara senabiki agidangu senazo baotashawara senabiki niwogidangu senazo ba wata shawara sai na bike a gidan kuwa na shawara na Baby love, baby lover, baby laisse-moi te dire que je t'aime. My baby lover, ma sweetie lover, baby laisse-moi te donner mon cœur. Baby lover, lover, lover, you are my sweet lover. Baby lover, lover, lover, you my honey lover, my honey. oui, Afula tanache. Uh uh-huh. Afula tanache. Afula tanache. Afula tanache. Yeah. Nikeri kanta kiho. Tabani furanasha. Nikeri kanta kiho. Tabani Non, non, Sania. Ouais, waouh, waouh, waouh, waouh, <laughs> waouh. C'est super. Ah, il a une très belle voix. Ah ouais. Ah oui, Mr. Ben, en tout cas, euh, vraiment beaucoup de courage. Merci. Je kiffe personnellement, je kiffe euh, votre musique. Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Fulata de l'artiste euh, Ben qui est avec nous dans ce studio. Alors, Ben, c'est comment Comment percevez-vous l'évolution du rap et de la culture hip-hop au fil des ans Bon, il y a eu beaucoup de l'amélioration. Moi, j'ai beaucoup kiffé, j'ai beaucoup kiffé parce qu'il y a beaucoup de l'amélioration et tout. Et il y a déjà là maintenant et les artistes qui commencent à, gagner leur pain on essaie on, voit les artistes circuler dans les voitures et tout ça et avant il n'y ah, avait pas ça ah avant <laughs> il n'y avait pas ça il n'y avait pas ça d'accord il y, avait mais quand même c'est pas tout le monde c'était pas visible c'était pas visible parce que <laughs> avant c'était si on voit les MC ici au Niger c'est que on voit les MC marcher et puis euh, leurs pantalon. <laughs> Eh, <laughs> les gens, et, eh, les gens qui, qui, qui leur voient et, euh, pensent que c'est juste un synonyme des banditisme qui leur voient et qui leur jugent par leur style vestimentaire, alors que moi, hmm. pour moi, c'est pas le cas et tout ça. Hmm. Et là, ce euh, c'est vraiment pas le cas. Ça évolue. Ça évolue. Il y a beaucoup de respect pour cette musique. Super. ça. Ok, alors comment cela influence-t-il votre musique euh, vu que maintenant ça commence à prendre Comment est-ce que ça influence votre musique euh, En tout cas, moi. Euh, est-ce que ça vous donne de l'énergie pour continuer Ça me donne beaucoup de force. vous motive Oui, ça me donne beaucoup de force pour, pour, pour, pour, avancer et surtout pour mieux, pour mieux bosser mm. et atteindre vraiment l'objectif. Mhm. Et maintenant, quels sont vos projets futurs en tant qu'artiste Avez-vous des collaborations ou des, projets spéciaux sur lesquels vous travaillez actuellement Ouais, bon, je n'ai pas de collaboration, mais j'ai quand même euh, beaucoup de choses qui. Euh, beaucoup, de, beaucoup de chansons que je suis en train d'enregistrer. Mhm. À part les 20 là que je vous ai dit, j'ai beaucoup de chansons que je suis en train d'enregistrer. aucun n'est pas encore sorti et surtout des clips pour. Et surtout des clips que, que, je suis en train de travailler sur. Euh, voilà. Apparemment, il y a pas mal de choses en cuisine, hein, en langue euh, <laughs> hip-hop. Il y, a pas mal de choses en cuisine. Ok, d'accord. On n'est pas pressé, on va lancer calmement, tranquillement. Ok. Alors, pour finir, euh, que direz-vous à ceux qui aspirent à suivre vos traces dans l'industrie musicale, en particulier dans le genre hip-hop Ouais, en tout cas, euh, je, leur donne beaucoup de courage parce que euh, dans ce monde-là, euh, tout ce que tu as mis devant, seul le travail te, te payera, quoi, tu vois. Seul le travail te payera. Quand, tant que tu vas travailler, tant que tu vas bosser, mhm. rien n'est impossible. Donc, qu'on fonce, qu'on jusqu'à ce qu'on arrive et qu'on atteigne l'objectif. Super. Voilà, euh, merci infiniment, Mr. Ben, d'avoir euh, non seulement répondu présent à notre invitation. Et tout un mot Ok, Merci beaucoup, Ben, euh, et bonne fête aussi à vous. Hein. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs. Euh, à l'instant, c'était bien notre artiste euh, Mr. Ben qu'on a reçu dans ce studio. Poursuivons cette fois-ci avec euh, la page sport euh, et ce matin, notre chroniqueuse et bien évidemment Salamatou Kadri qui va nous présenter cette page sport. Chers auditeurs, pour ce numéro de sport... Euh, du jour de fête, nous allons parler du déplacement du président de la Confédération africaine de football. Et eh oui, c'est nous, le président de la Confédération africaine de football, CAF, Dr Patrice Mosep, a entamé hier lundi une visite dans quatre pays, à savoir Sao Tomé, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Maroc. Après avoir visité Sao Tomé et Principe et rencontré les dirigeants du football et d'autres acteurs du football dans le pays, le président de la a aussi rencontré le chef de l'État, le, le, président Carlos Nova. Ce mardi 9 avril, le président de la CAF se rendra en Guinée équatoriale où il rencontrera où il rencontrera dans la matinée les dirigeants du football. Dans l'après-midi, Dr Mosep rencontrera le chef de l'État, le président Todora Obiang le mercredi 10 euh, avril 2024, Dr Mosep sera en Guinée-Bissau où il rencontrera également la direction du football et le chef de l'État, le président Ouma, Susoko Ambalo. En fin de sa tournée, le jeudi 11 avril 2024, le président de la CAF assistera à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de Fissargu. AFCON Maroc 2024 à Rabat. C'est l'essentiel du sport et cap sur le portrait du jour. Voilà, merci infiniment. Salamatou, il n'y aura pas de portrait aujourd'hui. Ah, ok, <laughs> comme c'est la fête, on va, ne va pas mettre le portrait. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Fête Ramadan. On va poursuivre avec euh, nos auditeurs, euh, hein, nos correspondants, j'allais dire, euh, chers auditeurs. Et présentement, il y a une correspondante qui est déjà en ligne. N'est-ce pas, la régie nana ni kan ba ni sama ilo mataran ke de mataran do hara alhamdulillah ya jingar bani alhamdulillah mati jingaro alhamdulillah de matano jingaro gona ga te da doso alkitanon go solo sola zabi kahun kuna e eh, zabur fatano ambiyan so gode ga te zantai gode non ku ga yale ni ban tarai da wasu gungu gode ga yale jingaro te samai insha Allah to matano matano ambiyon so go ne gate dai bai dai kan zankai da furta inin gai tala mote irgo ga ma zankai gin dai mu go zankai bayan ne mo dai go da ya go dai koiran kulu zan mataki ah. ine higi jingar fa aka ce ba ba a zaben budurwa ran to hun kuno kai ne ce to so harawo kai dan gidan gini go ga zai kul talam a to zan kai kan goni gyar gani gingin irsi mir kai yesi a insha Allah yi ka ba ta goko amshi rai rama kaga ta wa alaikum salam rama ni kan bani irgin garbani o kai mai da mai no kai yesi o kai o kai yesi amma ne gobara kulfo mai da mai no ni kai yesi aino ramat abdul ramat bubakar ramat bubakar mai mai ne kai sin chorera aran marhalan da in ya gore <laughs> alham ko por futaga nu ni kon da chorera mu mai mai ne kai sin chorera aisha yam nana yam Najima yan Hadiza yan Adama yan Rahila yan Nafisa yan Rafika yan Rabia ni kwa kikulka yesi seno yan lawal isa yan kan gota kini ko boni go bora kulu kayesi bora kul patna go kayesi to ir moni go do bora menda menda kayesi aino barka ka dai hawa ni kan bani bani samai hawa matono jinga matono jingaro gote ay bay day kaŋ ni sappe hunkuna

son bureau des guerriers, l'ennemi des sentiers, L'enfant noir aime pas le peuple. Le petit messager des chiens. L'enfant chéri de la musique moderne nigérienne. Sans oublier sa Papa. L'enfant qui contrôle la situation. Voilà, c'est nous après Dosso, direction la capitale économique. Bien sûr, euh, nous irons actuellement à Maradi. Euh, notre correspondant Mohamed Maman est déjà en ligne. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour Mohamed. Bonjour, vous allez bien Ça va Mohamed, comment ça se passe de l'autre côté de Maradi ah, ça se passe bien, même si euh, cette année, euh, on peut le comprendre, la situation économique euh, est dans, il n'y a pas assez d'effervescence comme les autres années, hmm. mais quand même, les enfants ne dérègent pas la règle. Ils peut de passer de maison en maison pour faire le barcar salat, saluer et avoir un peu d'argent. En tout cas, sinon, euh, l'ambiance n'est pas aussi euh, euh, que les autres années. Hein, les autres années. Hmm. Et, cela est dit à quoi, Mohamed, selon vous ben, On peut le comprendre, hein. c'est la, situation économique difficile. Les chefs de famille ont hmm. difficilement pu joindre les deux bouts. passer 30 jours à, à jeûner avec tout ce que cela comporte comme dépenses, Mm. Et euh, faire les habits de fête, euh, les repas de, fête, c'est compliqué pour, pour en tout cas beaucoup de familles. Mais qu'à cela ne tienne, les enfants en tout cas sont dans les rues et voilà, eux ils sont en fête, mais les parents c'est un peu caché. Ok. Voilà, merci beaucoup Mohamed, maman, bonne fête à vous et à tous nos auditeurs de l'autre côté de Maradi. Merci bien. Merci. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la réécouter sur notre site web www.istudiokalangu.org. Voilà, à présent, retrouvons notre collègue Maman Ada pour la culture linguistique en Hausa. Alors, Mamada, bonjour. Bonjour, nous. Vous allez bien Ça va. Hein? Bien, bien fêté Mamada, ah, barka, barka da sallah. Eh, salamatu, barka, kin sallah lafiya. Hakika yau za mu magana kan wato zakka, zakatul fitr a ah, musulunci. Wato a ah, musulunci ana son ta kuma sadakal fitr. kuma wajibi ne ga duk musulmi wato kuma ana yin zakat fitar a ƙarshen watan azumi wato watan eh, ramadan kuma wannan zaka tana taimakawa wajen tsarkake wato eh, musulmi da duka wasu kurakure da aka yi a lokacin azumin to wannan zaka in kana yin ta tana samu ka tsarkake ka kuma ka tsarkake wannan wato azumi da aka yi kuma wannan musamman ma ga musulmi yana da kyau mutum ya yi zaka saboda tana taimakawa wani taimakawa saboda Merci beaucoup pour cet éclaircissement sur le mot Zaka. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en germain, en tamashak ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je répète, 89 89 89 64. Il est temps d'écouter nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana malam saminu daga nan garin ciro abin da yake burge mu game da studio kalango shirin nan nasu na karfe 11 zuwa 12 nan da muna sauraron shirin nan na marece sosai to kuma da suka sake wannan shiri abin ya burge amma da haka na bamu bar wancan shirin na karfe 5 din nan na yamma albarkacin wannan sallah karama duk yan uwa da na arziki na fadin Nijar duka muna gaida su muna gaida Ibrahim Gomba ba Allah gidan rediyon take ta muna gaida Malam Sani da ke garin Kwargon muna gaida Isiya dare direba wanda yake garin mata mai tunda studio kalangu yana kaiwa ko ina don nijar ko ina ne kurum sunana hadiza daga garin bosheri muna jin daɗin shirin da studio kalangu take yi musamman akan mata arman gaugawa da rashin zuwa lakwal ina gaida hajara a garin gosheri ina gaida baraka mai kwando ina gaida nana ni ne tsaye am kasar orafa muna sauraron rediyo sidiyo kalangu yana wayar da kan jama'a can da ana cikin yan matsaloli ma amma albarkacin ana saurari mutane yanzu sun fara ganiya saboda cikin ɗan lokaci kaɗan ne ake yin shi zuwa sha biyu ta rana ko haka zuwa ƙarfe biyar na mare kenan tunda abin nan yana ci gaba da jama'a yana waye musu kansu ya kamata a ce ma tunda sahi in aka kama shi har mareci ai man daga nan garin ci shiru shirye-shiryen nan da ake yi cikin studio shi ke burge ni ina yawan sauraron gaskiya shirin na yana burge ni studio kalangon shi mu matasa ranar garin ciro sunana aisha nan site soni shar ni da mama ta kullum muna sauraron shirye-shiryen studio kalango shirin na matasa yana burge ni muna yawan sauraron su shirin su na rana da karfe goma sha daya zuwa karfe goma sha biyu yana burge mu allah ya taimaka ina shirin studio kalangu sosai ma a 100% bisa ɗari ne ta kawai ra'ayi na bisa studio kalangu gaskiya akwai wani shiri da suke yi na zo ki je ki ina shirin nago ina ina shi kwarai kwarai kwarai kwarai eh tunda akwai abubuwa da ake bayyana wanda mutane ba su ma san da su ba kuma yana ƙayatar da mutane ana sa kaman irin harkar jiya kuma har da yau ma ana sa ciki Voilà, chers auditeurs, euh, nous sommes à la fin de cette édition spéciale fête de Ramadan du Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et moi-même, Ali Moukela Hussein, alias Seno. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, c'était Lawal Issa et à la grande dame Adam Odonwaki à l'édition. Excellente journée à vous, bonne fête et bye bye. Bonne fête.